leader et de leadership du centre conseil de Rufisque, un service adapté aux besoins des jeunes. Euh, Tëngéej sama diwaan jokkul sama gox ma ne ko Tëngéej sama diwaan sa sama gox salaamaaleykum euh, RMB TV. alors tay nak dañuy daldi di ñëw si journée ba spéciale muy journée de reboisement bo xamné euh cité Mbaye Seck la ñu daal ñëw àndandoox li nga xamné mom modi euh suñu jinné cameraman yi ñëw ci li nga xamné mom journée bu am am solo bi. alors tay nak mbokk yi xarit yi comme niñ ko waxé rek. dafa nekk benn aspect bu am solo ndax dañu dugg ci cadre li nga xam ne moom moo di euh, suñu cadre de vie par rapport ak environnement yi ni mel alors euh, tey nag euh, comme li ñuy wax rek ñu ngi cité Mbaye Jacques ñu ñëw nag fekk si fi ki nga xam ne nag moom moo di euh, le délégué de quartier ak jeunes yi nga xam ne ñoom itamit nag dañuy daal di activé wu pleinement si li nga xam ne moom moo di journée de reboisement bi alors ni ñuy def nag mooy que ne dañuy daal di ñëw si l' essentiel ndaxte nag euh, nous sommes avec la bonne personne euh, mon colonel nuyu naa la ziar la bu baax a baax a baax. maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal di la remercier seen teewaay pour ngeen couvrir ce événement bi. alors euh, Mor colonel comme ni ñu koy waxee rek mu nekk benn journée de reboisement mais bala ñuy dugg si journée bi euh, bëggoon nañu xam tuuti rek euh, par rapport ak sa bibliographie bi nga xam ne que moom nga daal am ba moment bi nga xam tay mom lañ la tabé tabé li nga xam ne que moom moo le délégué de quartier. voilà man colonel Pape Assane Diour donc comme ni nga ko waxee léegi man maay délégué de quartier cité Mbaye Jacques Diop man nag je suis ingénieur des eaux et forêts je suis un colonel des eaux et forêts. Je suis délégué parce que je sais que peut-être dans deux mois trois mois maximum je vais aller à la retraite et que dinaa am temps pour m'occuper pleinement du quartier donc je tax actuellement je suis à la direction des eaux et forêts comme comme chef de division sinon mon parcours nous suis inspecteur régional des eaux et forêts à Dakar inspecteur régional des eaux et forêts à Tambacounda nous aussi inspecteur régional des eaux et forêts à Kédougou Nous suis aussi même conseiller technique euh, du ministre euh, Abdoulaye Bibi voilà euh, tey nag ñuy def li nga xam ne moom moo di journée spéciale muy euh, reboisement ñu xam ne nag li nga xam ne moom di suñu cadre de vie. nekk na benn aspect bu am am solo. alors tey euh, lan moo tax ngeen daal di jël li nga xam ne moom moo di journée bi rek daal di ko indi si biir koñ bi ngir askan bi daal di ko dund pleinement. waaw xam nga journée bi donc euh, dafa euh, euh, une continuité ci l'activité activités nous nous avons il est bien vrai que man bi ñu délégué de quartier Yagoul, parce que c'est une demande des populations et c'est depuis le 1er juillet passé que la jot arrêté nommé délégué de quartier avec comme adjoint M. Abou Krendia. Euh, ci même euh, acte bi donc ci la tudé cité Mbaye Jacques Diop mu nekk aussi une demande des de forte demande des populations voilà donc nous nous ñu nous ñu proposer donc depuis lors nag euh, vraiment ñu ngi commencé di def ay def activité parce que même bo xolé fi daw yoon bi amna auto yu bari xamné mënuñu fo ñëw parce que dafa naqare woon loolu mais vraiment population yi ñom ñoo mobilisé wu vraiment japp jàppalante génn sen mettre la main à la poche cotiser donc participer ba nga xam bañu ñu a def li lii ba nga xam ne oto yi fi mu nek ni ñu ngi dem ñu ngi ñew voilà par nos propres moyens donc dans la même lancée donc ci lañu ñu ñu ne dañu prévoir yenn activité aussi de développement lu ci mel ni reboisement bi ñi def tay mais aussi bëgg nañu aussi di def euh, euh, journée set setal waaw reboisement sax boo gisee t-shirt yu ñu sol dañ ci bind journée de reboisement avec S ça veut dire que du nek benn journée rek mais dañ étaler peut-être sur 3 à 4 semaines une continuer lay nekk. donc la mayonnaise a vraiment pris dañu bëgg daal bëgguñu affaire bi affaire bi yem fi motax ñu on est dans dans vraiment dans dans cette même lancée là té bo gisee vraiment y a une forte mobilisation démb def nañ réunion surtout li gëna neex moy l'adhésion l'adhésion des femmes voilà parce que même réunion démb boo jigéen ñi sax ñoo ëppoon góor ñi te même xooleen boo leen gisee nii aussi y a des femmes ñu nekk ni ñu nak fi di préparer ay ndéki tout ça euh, pour teral gan yi donc euh, am na comité bu ñu créé won comité de reboisement tout le travail préparatoire la ñom ñoko def voilà dañ doon def porte à porte dem ci kër yi borom kër bu ci nek ñu dem toog ak yow waxtaan ak yow sensibiliser te ci la am na ñoo xam ne vraiment ci la ñu profité aussi génn mettre la main à la poche pour jàppale ñu ci journée bi ñi nous avons ñi am nañu sax ñu professeur voilà bu action donc jox na jox nañu 000. voilà ñi sac de ciment ñi joxé une tonne etc. donc pour wan vraiment ñun ñun lañu. président de la république Ni wax ci reboisement ni mu ko wax sax la ngay de construction il faut nga am engagement da nga

mais dañu bëgg chaque fois rek tous les 15 jours on a une réunion. voilà buñu défé réunion nak ci la ñuy génn orientation yi. mais dal lepp luñu def fii dal moy c'est des activités de développement. c'est tout ce qu'on évite c'est d'être dans des débats politiques. voilà donc on est on est surtout dans des dans des activités de développement tay mëna wax na ki parti bi la bok, wala ki parti bi la bok. du ñun ñëpp ño booloo nak booloo nak ben mais dal lu ci mali ni set li ma wax légui ay reboisement affaire assainissement. Ah, yooyu yëpp souvent day c'est des mots qui sortent voilà et l'état de la route là on veille surtout à chaque fois que vraiment oto yi di mën a parce que man bu ma xoolee mu taw wala oto yi mënuñoo jaar ñuy teggi rek man je ne peux plus marcher voilà man bu ma sañoon vraiment fii ku fi ñëw rek da nga jàll dem waaw te li ñu am nii vraiment nañ koy sant population yi mais aussi monsieur le maire aussi il faut ñu gërëm ko parce que bi ñu defar tali bi aussi am na moment bu ñu tolloon boo xam on était bloqué moom moo ñëw fii parce que dañu manqué woon ay sëkk moo ñëw indil ñu sept camions

vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax quoi en tout cas ñu ngi leen di sante bu baax a baax baax di leen gërëm donc gis ngeen euh, moom colonel comme li ko expliquer rek mu nekk journée de reboisement bu am am solo bo xam tay tey euh, jeunes yi yëpp dinañu génn rek participer si li nga xamante mom modi mbir mi mais surtout comme ni ko waxé les femmes nga xam luñu dugg rek euh, mbir mi day dal di jag bu baax a baax baax alors mon colonel bi may terminer ak yow moy euh, le message fort bi nga xamné bëgg nga ko lancer rek euh, lu jëm ci li nga xamanté moom moo suñu cadre de vie quel est le message. cadre de vie dal mo dal euh, je pense que dal bu ñëpp booloo nak ben rek xàccandoo dóorandoo rek am même ambition même objectif vraiment le pays qui parce que quartier li ko mën a bloqué rek moy ay tiraillement voilà ñiy xëcc jëm ñi ñi xëcc jëm nii donc on n'avancera pas mais bu ñu amee seen njiit ñu jiital ko ñëpp vraiment nango top ci ginnaawam.

c'est euh, quand loolu itam ñu gis né amna jeune yu bëree bëri bëri yu engagé wu alors tay ban sentiment de satisfaction nga daal di am ci sa biir gox. ah asalaamaaleykum maa ngi la di nuyu seen tur ak seen sant man la abou Aboubacrine Dia euh, euh je suis retraité mais jamono nag en activité j'étais ingénieur conseil en organisation et en informatique organisation du travail laa def ak organisation de l'entreprise

mooy l'égui, nit ñëpp booloo nek ben jafé na Sénégal léegi té fi li amna fi j'ai fait 14 ans fii te ñu fi jëk ñëw la bok waaw mais kon dama contane si euh, euh, mbolo ak waaw acte bi ñi def ni parce que ñepp dañoo ku nek da nga jël sa morom def ko ni sa bopp parce que dañu xamné li ñoo fait la force. yi nga ko fi tous les jeunes du quartier ñi fi lu ko waral mobilisation lu waral parents tamit diriger leen participer ils sont là may ils yi parce que tamit xale yi déggal nañu seen i waaw ils viennent comité des jeunes ils viennent participer ils sont daal Ils nañu si ñoom xol seet na waaw parce que quartier quartier bu bees la biñ ko biñ ko érigé en quartier bon mais euh, jox nañ si suñu suñu location suñu kayit yëpp jox nañ ko mais franchement euh, euh, entente bi am si quartier man daal gisuma ko fenn kontaan naa ci nag kontaan naa ci maa ngi ñaanal waa quartier bi yëpp ñëpp ñëpp ñëpp jàmm yàlla def def fi jàmm ñaanal Sénégal mbas mi fi nekk yàlla ko yàlla gaaw a jëlee yàlla na yàlla kattanal ñëpp parce que franchement daal am kii amul amul kii mën na amul kii mënul dañuy dañ dañ waxtaan lépp dañ koy def en douceur chaque comme ni ko colonel waxee léegi tous les toutes les deux semaines dañuy def dañuy def réunion de quartier bu ñu defee réunion de quartier ñëpp toog waxtaan ku nekk joxe sa point de vue démocratiquement te loolu jafe na ku nekk joxe si xalaat ñu ñu ñu waxtaan ba d'accord ci ci kaddu ñu ne léegi kon nag léegi proposition yëpp nii la ñuy dajee nii la ñuy def parce que xel du doy. loolu mooy transparence xel du doy. léegi nag léegi moo tax quartier bi daal man maa ngi di gërëm di leen sant di ñaan jeunes yi nag yàlla kattanal leen yàlla def leen mag parce que wax naa leen ko ñoom nee naa leen ñun dañuy ñaan yàlla dem bàyyi leen fi na yéex nag wala dañuy ñaan yàlla dem bàyyi leen fi parce que loolu loolu la yàlla def ñun loolu lañ ñaan kon nag léegi nañu góorgóorlu jàppante nekk benn xeebante bañ a am ku nekk jàpp ne sa morom sa nawle la quartier bi ñoo ko bokk amul doomi kii la amul doomi kii la ñun ñëpp ñoo bokk quartier bi ñëpp nañu bokk manko nekk benn di jëflante di duggante te loolu moo fi am ñun seen i waajur ñun loolu la ñuy def ñu ngi gërëm ñëpp nag di leen sant yéen seen télévision bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf ah, mu ngi noonu euh, kaddu yu rafet na Papa xam naa nag le combat continue Euh, par rapport ak li nga xamante moom moo di journée de reboisement mais amoon euh, côté maa ngi gis nag euh, benn suñu benn jeune boo xam moom itamit nag paraît-il que bokk na si jeunes yi nga xam ne ñoom itamit nag dañuy daal di ñëw participer pleinement si li nga xam ne moom moo di journée de reboisement bi mon ami ziar naa la. ñu ngi ziar sëñ bi maa ngi maa ngi tudd Mouktar Dieng Badiane maa ngi dëkk fii ci quartier bi ñu woy cité Mbaye Jacques Diop. Et vraiment, c'est des journées qu'on qu salue. Et vraiment, nous remercions toutes les parties prenantes. Moi, nous Madame Tsouni comme euh, euh, chef de quartier, euh, le colonel Hassan Diour, avec son adjoint. Vraiment, nous avons à ci préparatifs depuis le début de normalement nous ko def ci journée de l'arbre moy bi bi bi bi chef de l'état japon mais des problèmes de à cause des problèmes d'organisation nous lu reporté et vraiment remercier toutes les familles qui nous accompagnaient on a fait du porte à porte d'un petit courrier, expliquer à la jeunesse euh, notre ambition notre but et notre idéal pour le quartier euh, et vraiment on a eu l'adhésion de tout le monde madame nous a créé le groupe de réflexion de la cité Mejak Diop pour pour le bien du quartier Nous avons décidé on va démarrer par euh, des journées de reboisement la première édition 2020 c'est un processus continu Madame lui, lui continue la première journée bi dimanche prochain on va enchaîner avec l'axe euh, axe principal mais après on ira vers les autres axes 30 mètres qui nga Nous avons un quartier bi reboisons pour un cadre de vie euh, beaucoup plus attrayant beaucoup plus beau alors par rapport à qui est nga avons ay jeunes ngeen euh, nek ci quartier bi ana ben mission principale ngeen wara jouer ci li nga xamante nak mom modi mbir le ah, comme wax la la jeunesse vraiment est un maillon fort manam moy euh, cheville ouvrière euh, nation. Et nous, on a pris acte de ça et on est conscient. L'autre, nous veut réunir toute la jeunesse autour de, de, du même idéal je jouer notre partition sun sun sun jouer sun euh, partition ci ci ci ci biir quartier bi ci lañ euh, organiser pour les a yi là le jour qu'il y aura un conseil euh, de la jeunesse pour le conseil bu montez dans ci biir au moins que les jeunes aient au moins un rôle à jouer et un principal rôle pour ne pas dire parce que magni comme nous, ko suñu papa ils ont beaucoup à faire mais vraiment, il n'y a plus la force. les idées sont là, l'accompagnement, mais la force, c'est la jeunesse. Et nous, on est vraiment réunis ici. Et là, je salue toute la jeunesse de cette cité-là. Nous euh, avons le même idéal sur Toute la jeunesse est réunie. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous a vraiment surpris. on profite pour remercier tous les comités de pilotage. Moi, Andon, avec nous, Augustin, tunbay euh, Nogoy Sek, et tout le monde, Koulim Rek, Do djumé Do avec tous les autres qui sont avec nous. Moi, je suis on le remercie vivement et dire que c'est une première, mais d'où dire. On a besoin de tout d'un important plan d'action comme Lingor pour euh, am participer euh, ci ci quartier et comme liñ ce n'est pas on veut avoir une nouvelle vision de la jeunesse Nous comme jeunesse nous nga c'est un processus annuel c'est-à-dire toute l'année on veut avoir des actions c'est pour développer le quartier bien vrai que l'association sportive culturelle en fait partie euh, la culture le sport mais on bëgg une euh, vision de la jeunesse un a euh, regard pour que fu jeunesse rek duñ violence qu'il y ait des initiatives des créativités l'idéal. l'idéal on a eu l'adhésion de tout le monde avec l'accompagnement des anciens en tout cas il vient de m'inspirer par rapport à ce que je sais. fa la euh, ay alors euh, mon ami bala may quitter ak yow peut-être le message fort que nga veux lancer dans l'endroit des jeunes surtout dans ce cadre de vie le message fort c'est comme le, colonel a dit le délégué c'est l'union l'union euh, sacrée c'est-à-dire pas de division et nous avons remarqué depuis son installation, euh, c'est sur ça que nous nous, appuyons. Madame Dego, Wartan, les plus nous avons au cours de la réunion euh, en quinzaine. Et là, c'est une chose à ne pas euh, lâcher, à ne pas abandonner. C'est là on appelle toute la jeunesse à cette entente-là, Lobby » comme l'Union de Fetei, c'est-à-dire l'union autour de cette union-là et euh, Pencho, on pense qu'on va arriver à, améliorer le cadre de vie, mais pour ne pas dire euh, développer le quartier et pour aller plus loin même le Sénégal et l'Afrique merci beaucoup mon ami alors euh, comme ni may wax rek gars hein le combat continue ñu daldi continuer ñi nga ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di wa cité Mbaysak euh, par rapport ak journée de reboisement bi nga xamné tay mom lañu daldi initier alors euh, ñu daldi di àndandox sama jinne cameraman rek ñu wan ñu l'essentiel. bi nga xamné ne mom la ñu nekk di def actuellement. కోలేరా పాడుతుంది అమ్మ lancement bi nga xam ne moom la ñu nekk suba tey nee nañ leen journée spéciale alors euh, tey nag dama daal di àndandoo ki nga xam nag moom moo di madame Diop moom itamit nag dama koy daal di bàyyi rek mu daal di présenté wu ñëw si solo euh, bés bi madame Diop nuyu naa la ziar. maa ngi lay delloo ziar di la fay nuyoo. Euh, alors madame Diop titre de alors titre titre présidente association féminine La Rose donc journée de reboisement ah, parce que comme c'est une nouvelle cité la cité Mbaye Jacques Diop.

ñun dama yaakaar ni ñoo war a defar sax góor ñi fekk ñu ci ndax une grande partie ci góor ñi bu ñu xëyee dañuy dem naam am na jigéen ñu fi des waaye na xëy na jot bi ñuy am sax pour dajaloo mën a seet nu ñu organiser cité bi xëy na peut-être góor ñi amuñu ko ba tax na dañu taxaw temm pour defar suñu cité defar bi mooy ku ni euh, wérgu yaram wax cadre de vie donc on pense à notre cadre de vie moo tax ñu ne nañu reboiser gis nga mbedd mi fii heure bi nawet oto mosu fi xalaat jaar yàlla dimbali nañu ba colonel Pape Assane Ndiour ay ñoom Mbagnick Socé ay Mbo Sarr ñoom ñëpp sàmb organisé wu nañu ba avec nos maigres moyens fex defar nañu mbedd mi remblé nañ ko ba nga xam ne tey jii ni mu daan mel sax wàññeen wàññiku na boo xoolee nii peut a à 50 nga fële scooter bi toll def nañ fa biis boo xam bii mooy recueillir eaux usées yi donc am nañ tamit yoon boo xam bii dañu ko drainer donc coono bi ñu amoon wàññeeku na xëy na jeexul tax mais wàññeeku na mais nag dafa am loo xam ne yi tamit il faut ñu souligner ko parce que am na ci œuvre yoo xam ne yi financièrement c'est à la dimension étatique euh, assainissement mënuñu ko donc dañuy jéem rek dañuy jëm rek juste lo xamni dinañu mëna dinañu mëna xawa carte di dimbali touti pour suñu déplacement mais nak deug deug assainissement deug deug deug buñ koy wax état la té ñi ngi ci wo état bi voilà. lolu amna solo euh, xamna appel bobu ñom ñu ngi koy daal di dégg rek bu ko défé itam ñu mëna répondre li nga xamanté nak mom modi appel bobu lé alors euh, bu ñu jógee si itam euh, bëggoon itam nga daal di joxe li nga xamanté ni mom modi manam ay cadeau ñaax surtout lu jëm ci li nga xamné mom modi mbass bi ñu nekk actuellement. voilà ci cadeau ñaax ci affaire mbass bi moy dañu wara bayyi bàyyi naan mbas mi amul ndax li nga gis ñu ne rey na benn nit ñu toog tey ba ñu ragal li mu rey jege na 300 personnes donc fagaru jot na te il est temps que nit ñi respecter les mesures barrières voilà les mesures barrières mooy fu ñuy jëm nañuy takk masque nañu yore suñuy gel te surtout vacances lañu ñu nekk mais tamit ñu seet nu ñuy canaliser suñu njaboot yi ba ñu wàññi taxawaalu ci mbedd mi loolu it vraiment buñ ci mënee taxaw baax na waaw mais daal euh, mbas mi amul daal nañ koy moytu di wax ku mën moytu rassemblement dal nanga ko moytu parce que ñun même li biñ koy wax xalaat nañu affaire rassemblement bi mais dañ ni comme reboisement mënul ñak parce que nawet bi euh, période la bu favorable pour la poussée des arbres nañ ko def mais même association yi ñu fi am sax dajeetuñu bu dese lu cotiser dañuy yónnee suñu cotisation pour éviter quand même rassemblement yi nañu moytu rassemblement yi nañu respecter les gestes barrières pour dal yalla dimbali ñu ci parce que bu ñu lay samit wax dëgg yalla dañuy wax mag ñi nag bu ñu lay sàmmit na nga xalaatatee yat lañ lay sàmme voilà merci beaucoup madame Diop euh, ba tey itam ñu daal di euh, continuer li nga xam ne moom moo di suñu débat bu am am solo bi mu nekk nag benn cadre d'échange boo xam ne ni nag euh, l'essentiel rek la ñuy wax alors mu mel ni am na loo am na loo waaw engagement communautaire bi tamit ñu ngi ci ñu ngi fi ay relais relais communautaire yi bàjjenu gox yi ñu ñëpp ñu ngi ci bu baax bu baax ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax ñu ngi ciy liggéey bu baax ñu ngi ciy liggéey bu baax donc euh, hormis cela am na lu ma bëggoon yokk tamit ci reboisement bi mu xaw ma échappé mooy que nañu dimbali préfet mu dimbali ñu ci les animaux yi divagué parce que defar sa cadre de vie defar sa koñ ba mu rafet mala yi jaar fi yàq lépp lekk lépp tamit taxul nit sa war a defar bu ñu mënoon dimbali ci loolu vraiment doon na baax comme daal ñu ngi defar ah te mënuñu tamit bu ñu defaree taatu garab bu nekk ñu toog fa di ko surveiller buñu xëyé dinañ ko arroser mais it vraiment di fi jaar diko yaq yàq it gënaluñu ko kooku tamit ñing ci lancer appel préfet euh, ak euh, le maire de Rufisque le maire de Rufisque Nord voilà euh, merci beaucoup madame Diop ñu ngi koy jaajëfal bu baaxa baax ba alors ma am itam sama gauche benen jeune bo xamné momi tamit itamit mu melni amna patch bu am solo boo jouer ci li nga xamné mom modi journée de reboisement présentez-vous d'abord

Euh, ñu gis ni président Dougal ci loxoom ñu ne pourquoi pas ñun les jeunes euh, du Rufisque euh, de Cité Mbaye Zac Diop pourquoi pas ñun duñu ñëw def la même chose jàpp ci affaire yi comme lu baax la te lu baax moom yaakaar naa ne toppandoo ko yàqul dara dëgg

vraiment euh, yu yu engagé aussi ñeu nekkandoog ñun ci ci quartier bi euh, fépp foo xamante ne ñu ngi fay dugal suñu loxo rek ñu àndandoo seeg ñun euh, bo xolé journée bi tay affaire bi wan na la loolu ndax vraiment jeunes vraiment ils sont vraiment dynamiques lepp loy def rek dañuy ñeu taxaw ci vraiment japp ci euh, def ci seen xol def ci seen doole def ci seen alal tout ça euh, loolu tamit ma leen ciy remercier bu bu baax a baax a baax pour les jeunes way euh, par rapport à votre perspective bi nga xam ne moom ngeen daal di am lu jëm si li nga xam ne moom moo di reboisement yéex yenn question de cité yi nga xam ne itam am na si solo lool mu wàllum éducation sécurité yi ni mel est-ce que boole ngeen ko si li nga xamante rek moom moo di seen ay programme si gox bi. waaw vraiment loolu boole nañ ko si li nga xamante ni mooy suñu programme parce que d'ailleurs sax boo c'est ñu def euh, journée de reboisement bi am nañ ay plan d'action yu bari yo xamanteni ni nañ ko sur la table mais comme euh, journée de reboisement bi dafa dafa tomber juste ak moment bi nga xamanteni mom lañ ko soxla euh, ñu ni nañ pourquoi pas nañ commencer reboisement bi mais on a tant de plans d'action sur la table bo xamanteni ni nii ñu ko tek ci côté jeunesse, yi éducation bi éducation bi surtout ñu ngi ci au niveau sport culture yëpp mi sunu kanam euh, ñu koy xaar euh, vraiment dal euh, le cité là paré nañ pour défar cité bo xamante fu way tollu ci aduna di fa diko dégg dal paré nañ pour lolu comme ki nga xamante mom moy sunu fief ñu tuddé ko cité bi muy Mbaye Zack Diop ku ne xamna limu def ci ci ci Tëngéej comme nak fa mu jaaroon rek ñun fa lañ fa jaar euh, li ñu gëna a amal solo moy suñu jeune yi nga xamanteni ñoo nekk ci quartier bi bëgg na ñu leen ñu tudd fo xamanteni fu ñu tudd jeune yu baax rek ci def lu baax rek bëgg na ñu leen fay tudd inshallah alors euh, bo leen ko défé ba nopi par rapport ak journée de reboisement bi euh, je pense que protection bi également sur si dal di am solo lool lool lool. alors le message bi ñuy la di lancer ñi nga xamne ñom ñoo dëkk ci gox bi ngir ñu mëna sam li nga xamne mom moom ngeen def fi ba nopi waaw pour côté boobu noonu protection bi nga wax noonu lu am importance la. parce que boo gisee fi mu toll nii ñu ngi doon def porte à porte di wax euh, reboisement bi mais dañu xamal nit ki kenn ku nekk buñ la sampalee garab si sa buntu kër euh, euh, entouré la ko yaakaar naa ne ñun def nañ li ñu war le reste dañ lay ñaan yow nga sàmm ko comme ni nga sàmmee sa biir kër nga sàmm garab gi comme ni nga sàmmee sa biir kër so xëyee bu laajee arrosé nga arrosé ko suñu tolloo ba benn moment ñu xam ne grillage yi dañ ko war a élever ñu élever ko euh, vraiment jeune yaa ngi fi boo boo mënul sax boo ñu déclaré ñun dinañ def le tout ba nga xamante ni comme ñun jël nañ engagé wu nañ pour bëgg quartier bi changé dinañ def le tout ba ñëw xool bu fekkee ne yow da nga amul moyen bi pour defaraat ko wala li ñun dinañ ñëw xool mais li am importance rek mooy nag ñu ko signalé bu la leeree ni yow mënatoo si lii wala laa nag ñu signalé ñun ñi nga xamante ne ñoo la ko fa indiloon tegal la ko fa mais ñu ngi lay ñaan aussi nga toppatoo ko nga toppatoo ko bu baax a baax waaw. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax donc on termine en beauté ak euh, imaam euh, imaamu gox bi nga xam ne moom itamit nag mu ngi cité Mbaye Jacques toujours ah, si li nga xam ne moom moo di journée de reboisement bi imam nuyu naa la ziar la bu baax. mu lay ziar bu baax. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim.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 Euh, ñu daal di def li nga xamante moom moo di journée de reboisement andi fa ay garabaax yi ni mel tey en tant que acteur communautaire bokk si biir gox bi boo gisee tey ñu daal di jóg def yi ni mel ana yan kàddu ngay daal di yëkkati rek jëmale ko si ah xanaa kontaan rek di sant ah, wa man lam yaskuru sabab lam yaskuru laaha ku santul sabab maanaam du sant yàlla maanaam ñu ngi sant maanaam maanaam ñiy sabablu affaire bi parce que affaire bi am na solo lool am na solo lool te ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax a baax baax parce que euh, maanaam taxaw taxawal taxawal lu mel nii loolu loolu ku ko def yàlla def lay cont day kontaan si yow te yonent bi sallallahu alayhi wa tamit dafa lay kii dafa lay dafa lay kii daal dafa lay feeñu daal lii lu am solo la euh, xanaa ñaanal yàlla rek ñaanal ñi sabab loolu maanaam colonel ak ñi mu àndal parce que lii lu am solo la wallaahi. Ah, lu am solo la imam mu mel ni itam ah, nga sàmm sa gox ah, sàmm li nga xam ne itam moom moo di sa pays dafa bokk si li nga xam ne moom moo di jaamu yàlla alors lan ngay daal di ñaaxaat ñi nga xamante ni tey maanaam ñu ngi si biir gox bi di fi yeewoo ak ñi nga xam ne itam ñu ngi lay bàyyi xel par rapport ak seen gox taxawaay bu am solo bi ñu fi war a def ngir gox bi daal di am image bu rafet. waaw ku nekkee na def lu mu war a def daal parce que ku nekk sàmm la. Euh, fu mu féete ak ñi mu ñi mu yilif maanaam ku nekk na def lu mu war a def parce que ku nekk bu defee lu mu war a def euh, loolu lu am solo la kenn du maanaam du yàq waaw ah, ku ku ku jiite daal na na na na na góorgóorlu ba ñi mu jiite mu leen di maanaam euh, maanaam maanaam mu leen di wax lu lu lu baax maanaam mu leen di maanaam mu leen di digal lu baax bu ñu leen digalee lu baax du ñu yàq eh, maanaam garab yi ñuy def fii ku nekk na ko sàmm mu sàmm buntu këram mu sàmm maanaam dëkkandoo aha ñu ñam ñu bokk ñu boolu bool xel eh, bool xel yi ak xol yi yëpp ñu ñu ñu ñu ñu defar suñu quartier bi. Euh, comme ni nga ko waxee rek euh, quartier bi gis nañ ne am na mobilisation sociale bu am solo ndax bi ñu fi ñëwee gis nañ ne ñëpp dañu daal di effectuer le déplacement daal di ñëw bokk si li nga xam ne moom moo di mbir mi alors tey imam mu nekk loo xam ne je pense que euh, sentiment de satisfaction la mbooloo bi nga xam ne gis nañ ko si cité bi nga xam ne moo di cité bi mooy sax loolu moo lay wane ni fii ñun ñëpp benn lañ waa quartier bi benn lañ ku nekk yéen na moromam lu mu yéen sa boppam Ah, loolu lu am solo la te yoon yoon bi loolu la loolu la digle ah, parce que boo amee njiit yi baax yi jub noonu la noonu la quartier bi doxe parce que ku nekk ku ñëwul ku ñëwul fii sax eh, xolam ñëw na ak xelam loolu moo tax eh, ñu ngi ñu ngi ñaanal ñiy jiite rek na leen ñaanal en tant que addu'a u silaahul mumin maanaam maanaam ñaa ñaan mooy ngandaay jullit ñu ngi ñaan daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla kattanal leen may leen kattan te li ñu bugg daal si quartier bi yàlla defal leen

te ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen maanaam euh, kattan yàlla may leen wér gu yaram ak ak werle ba yàlla defal ñu loolu euh, message message fort boobu la imaam daal di sànni rek Euh, si li nga xamante ni itam dañ koy daal di boole seen ay programme ko wax nañ ko sax ne bu ñu si jógee itam euh, xalaat nañu daal di songaat li nga xam ne lu mel ni jàkk joojee bu ko defee rek euh, kenn ku si nekk boo daal di jógee rek jublu si ñi nga xamante ne moom moo di sa jaamu yàlla yi ni mel alors ñu daal di continuer ba léegi ah ñi nga xam ne ñoom ñoo di jeune imam sa kàddu mujj rek bala ñuy camper le décor voilà xanaa ginnaaw ñaanal waa quartier bi ñaanal leen yéen tamit maanaam li ngeen def baax na lool ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla avancé leen ba ba mu ba mu kawe seen njort waaw ah, ñu leen ñaan yàlla bu baax waa ñaanal waa quartier bi yëpp ak zone yi ak jigéen yi ak mag yi yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen eh, maanaam eh, kattan ak wér ah, ñu ngi leen ñaan yàlla yàlla bu baax a baax baax. merci beaucoup imam. Madunti Apollo, Madunti Jangoro, mm. you will find. padu undi kolera hoisa padu undi apodo hmm, sa padu undi jangoro yumunul fa ay ci ñu daal di terminer en beauté ci li nga xamantene ni mom modi di euh, journée de reboisement bi Euh, donc gis ngeen si suba niñ ko daal di tàmbalee euh, ñëw si li nga xam ne moom moo di ay image yu am am solo image yoo xamante ne ni képp koo gis rek da si daal di jàng lu bëree bëree bëri si euh, fàttali mbokk yi xarit yi ñu ngi fi nga xamante rek moom moo di cité Mbaysak alors ñëw spécialement nag si journée de reboisement bi nga xam ne nag quartier bi moom nañ daal di initier

voilà nous organiser cette journée bi vraiment un cachet particulier pourquoi ce cachet particulier parce que c'est bon une cité nouvellement nommée par Jacques et vraiment euh, en un temps record nous solliciter l'engagement de tout un chacun pour euh, organiser cette cette journée là di sant yalla ko diko ko jeexal ci ci alhamdulilahi rabbil rabbil alamin voilà di ñaan euh, euh mu dimbali ñu comme c'est une première ñu mën exécuter les autres euh, euh, les autres tâches des du plan d'action qui est vraiment en cours pour que ñu mën vraiment fu ñu di tudd si cité bi ci lu baax voilà alors mu euh, me comme ni ngeen ko waxee rek mu nekk journée ne euh, kese kese kese kese la alors euh, ñi nga xam ne ni tey bëgg ngeen bu baax par rapport ak jàpp bi ñu jàpp si mbir mi waaw peut-être di di ki nga ne fi kilifa gox bi à savoir le le maire dans un premier temps de la commune de Rufus Nord et le délégué de, ce quartier, le colonel euh, Ndour, vraiment qui s'est beaucoup investi pour que euh, soit am, parce que nous tous seuls, nous sommes mi ngi ci suñu suñu ginnaaw ci à des heures tardives vraiment loolu ci remercier ce qui témoigne encore une fois son son engagement et son abnégation vraiment pour euh, que cité bi mu jëm jëm voilà il y a pas mal d'individus qui se sont mobilisés financièrement vraiment pour que li li ni voilà di di remercier l'ensemble des membres du comité de pilotage vraiment qui n'ont ménagé aucun effort pour que li ni mën a am waaw bu ñu nekkee di cité nommément yaakaar naa luñ fi jógee parce que ñu bëri ñu bëri jàpp nañ ci à savoir le le professeur Daouda Ndiaye ah madame Mam Fatou vraiment tout le monde tout le monde s'est investi pour que lii lii lii lii mën am di ñaan yalla mu bàyyi ñu fi ñu diko def ay ati ati ati at voilà c'est ça. Euh, les jeunes également aussi je pense que jeunes aussi war nañ leen jaajëfal ndax euh, gis nañ ne ñoom itamit nag génn nañ wa koñ bi ñoom ñëpp japp ci li nga xam ne modi moo bi. waaw waaw jeunes yi jeunes vraiment man man je suis agréablement surprise quand même agréablement surprise dans la mesure où organiser nañ fi organiser voir mais mobilisation biñu gis vraiment rare. na euh, vraiment c'est un c'est un point fort non négligeable euh, je pense que si ci continuer on aura des des résultats positifs voilà Euh, en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax si initiative bu nice bi nga xam ne moom ngeen daal di am rek alors mon colonel euh, du ñàkk itam parce que nag ku ibbi rek war nga mën a tëj li nga xam ne moom moo di mbir mi mu daal di ma jege si moom itamit euh, nga xamante ne moom moo di mbir mi mon colonel daal di ma jegi jege si nii rek s'il vous plaît par rapport li nga xam ne moom moo di mbir mi tey àndandoo nañ ñu def journée spéciale si reboisement bi gis nañu quartier bi ni ñu génnee mm. ah les notables du quartier ñëpp daal di génne les jeunes et tout alors waaw vraiment très content. Euh, na trop li ma nak nag je m'attendais pas à ça hein. franchement positivement parlant waaw demoo defoon nañu réunion démb wax ci euh, ñom ñom seen bopp les jeunes dañu créer ben groupe WhatsApp di waxante seen biir ba dugal nañu ci bir mais gis même ñom sax dañuy def sensibilisation motax bima bi tay mbolom tey mi ak engagement bi niñu télé teel ak yoy bon j'étais agréablement surpris ah, agréablement surpris parce que bu amoon une dizaine de personnes je me disais que loolu baax mais ce fi nekk tey yow gis nañ ko sa donc c'est une mobilisation exceptionnelle et un engagement ku ci nekk da nga yaakaar da nga jàpp ne mbir sa mbir la vraiment nga dem ci ba mais euh, comme nous, nous ñoom ni nous remercier donc il faut nous commencer par l'autorité de la commune qui est monsieur le maire voilà mais bu me dites que directement damay dem ci les jeunes là le comité de reboisement surtout nous nga xam ne ñoo taxaw fii gis nga à 95 ñom la parce que activité bogus gis n'est pas l'activité proprement dit mais c'est la préparation mais ñom préparation bi parce que toute activité il faut des moyens mais la recherche des moyens ñom la ñom ñoo doon dugg ci kër yi benn par benn di def sensibilisation di di récolter ay fonds te fonds yi ñuy récolter yépp ont. lañ ko des waaw jënd ci ay cocotier jënd ci ay grillage tu vois donc ciment ut euh, ay briques ay ay pneus loolu lépp li ñu ci am yépp fi lañ ko delloo te duñu def dara sans ñu taguma te bu ñu defee ba pare dañ ñëw rendre ma compte voilà donc ñi remerciement exceptionnel la leen di euh, voilà di wax la ñu maintenir la flamme waaw parce que mbir def ko réussir baxna mais c'est la continuité la durabilité c'est ça qui est important waaw nañu maintenir la flamme man en tout cas man amna entièrement confiance ci ñom et pour les futures activités man je mise entièrement sur la jeunesse et aussi sur les femmes sur chaque fois dama koy wax parce que les femmes là seetlu l'activité la activité bu faire. dox

parce que vous êtes des refus quoi ci ngeen bokk waaw xam naa ne neex na len lol voilà vraiment ñu ñaan yalla rek vraiment li mu bañ fi géej voilà muy continuer difa am ñuy yalla defal ñu ndam ñu di remercier bu baax waaw rier seen seen vraiment seen télévision bi di ñaan yalla vraiment yalla jëmal ko ci kanam parce que ça c'est une fierté pour nous ñun mënoon nañu o yeren télé qui sont à l'extérieur mais ñun la proximité c'est ça qui est important voilà bay ci say oom voilà donc ñun euh, li ngeen def ñu buñ ko génnee fi ñu gis ko Rufisque euh, gis ko Mbao loolu doy nañu sëkk voilà merci merci beaucoup kàddu yi euh, nice na lool alors mu ngi noonu mbokki xarit yi euh, journée de reboisement bi nga xam ne tey moom la ñu ñëwoon jël si ko fii nga xam ne moom moo di cité Mbaysak alors gis ngeen jeunes yi initiative bu nice bi nga xam ne moom la ñuy jël euh, dégg ngeen moom colonel moom itamit nag kaddu yi mu yëkkati les imams euh, ak ñi nga xam ne également si dañu daal di yeewoo si gox bi euh, ñëw génn bokk si li nga xam ne moom moo di journée bi mais si kaw loolu itam mbokki xarit yi am na message yu am solo yu fi jóg lu jëm si li nga xam ne moom moo di suñu cadre de vie encore une fois de plus lépp luñ ko mën a respecté rek doyul di ko sàmm bu baax a baax a baax ndax bokk na si li nga xamante ne nag daf ñu daal di jàppale ñëw nañ itam si solos mbas mi

le combat continue c'est euh, li nga xamante ak moom journée de reboisement yi ni mel alors euh, ñu leen di jox rendez-vous nak ci benen numéro ak euh, benen gox dem fekki si leen andiwaat li nga xamante nag moom moo lu am am solo li muy promo reportage di jajeufal itam équipe technique bi nek ci gannaaw aada ñu ngi lay jajeufal bu baax a baax mo nami itam Poulo moom itamit nag maa ngi koy gërëm bu baax a baax merci beaucoup waaye tamit nag mention spéciale à notre directeur ah le responsable des programmes mi nga xamné ne suné day bay ay yitém ñëw accompagner ñu ci li nga xamné nag mom modi euh, reportage yi ñuy faral di def donc moom itamit nak euh, kenn du mom bu la nga dal di toog si biir bureau climatisé mais defuko day dal di wàcc taxandoo ak ñun ci li nga xam mom modi moo encore une fois de plus merci euh, ñi nga xamanté nak ñom ñoo di waa comité bi nga xam ñom ñoom ñoo fi nek surtout bu euh, cité Mbaye bi ñu ngi leen di beral nuyo bu baaxa baaxa baax a ak ngeureum c'était Amzik avec son esprit solidaire et de leadership euh, du centre conseil de Rufisque un service adapté aux besoins des jeunes Jam ak jam yalla na am jam. merci beaucoup colegio.